nous allons les accompagner, les aider. Maintenant, pour faire l'articulation entre l'équipe pro, parce que souvent ce que je dis, c'est que le football est hégémonique. Dans le football, l'équipe pro est hégémonique. Donc aujourd'hui, nous voulons en tout cas faire un rééquilibrage avec une équipe pro à laquelle nous donnerons tous les moyens nécessaires, mais avec également une équipe réserve, des petites catégories qui auront des entraîneurs de niveau, au moins des entraîneurs qui ont le premier degré et qui seront suivis et soutenus dans toutes leurs actions pour avoir euh, des équipes compétitives. L'objectif, c'est que, euh, euh, en attendant d'avoir un centre de formation, que notre formation soit axée sur ces petites catégories. Et ça, nous avons pris Lamine Sanou, un fils d'Embourg, un fils du stade d'Embourg, pour coordonner toute la politique footballistique du club l'équipe pro et les petites catégories, parce qu'il faut une articulation entre ces différentes catégories. Donc c'est ça sa mission. L'équipe va recevoir L'équipe va recevoir ici, là où vous êtes, sur le terrain de la tanière, en attendant que le terrain de Bourg soit remis en état. dans le projet de budget que nous avons fait, nous basant sur les années passées, nous avons vu que les entrées de clubs, les entrées au stade, plus les parrainages qu'on donnait à des personnalités timbouroises représentaient à peu près 20% du budget. Aujourd'hui, notre objectif, c'est qu'on va aller dans l'hypothèse la, dans la, euh, pessimiste, c'est-à-dire que jusqu'à la fin du championnat, nous jouerons à, huis clos, donc sans public. Et nous devons trouver ces 20% ailleurs. Donc nous, avons fait aujourd'hui euh, lancer une réflexion globale pour trouver des voies et moyens pour permettre à ces populations qui collent à l'équipe de participer. Donc nous allons lancer une collecte populaire peut-être nous allons commencer d'abord en faisant une collecte d'élite avec des cartes que nous allons vendre, des cartes de supporters de notre stade d'Ambourg qu'on ne vend pas à moins de 100 000. Mais nous allons faire des cartes jusqu'à 1000 francs, peut-être même 500, que nous allons donner aux, aux sadistes, aux préposés qui vont sillonner la ville pour essayer de les vendre. Ça, c'est pour faire coller l'équipe à, la population à l'équipe. Mais comme je dis, nous en tant que dirigeants, cette hypothèse, c'est une hypothèse qui sera en plus pour nous, mais nous allons essayer dans notre stratégie globale de recherche de fonds de combler 20%. C'est-à-dire là où on attendait 1, on essaiera de trouver 1,2 pour combler ça. Oui, tout gagner. Parce que ce que je dis, l'homme euh, toute personne humaine doit être ambitieuse. On participe à une compétition pour la gagner. On ne participe pas à une compétition pour, pour participer. En tout cas, moi, pas. Donc ce que je dis, mon, objectif c'est de gagner. Depuis le début de saison, tout ce que l'équipe sportive a, donné comme demande, nous avons, oh, c'était durant, nous avons fait, parce qu'aujourd'hui nous avons dépensé pas moins, à la date d'aujourd'hui, en termes de dépenses, on est à 27-28 millions. Euh, il y, a des dépenses qu'on doit faire pour être à jour. Mais on a 28 millions de dépensés. Euh, comme je dis, nous on ne peut rien mais euh, unis les populations d'Ombourg. Unis également, comme je dis, nous en est croyants. Quand, nous avons pris cette équipe, nous nous sommes adressés à celui en qui nous croyons, Allah. Nous lui avons demandé de nous aider à amener cette équipe-là là où elle n'a jamais été. Et nous sommes convaincus que notre vœu sera exaucé. Et chaque jour aujourd'hui, malgré les difficultés, depuis euh, un mois et demi, nous avons dépensé près de 27 millions déjà payés euh, rubis sur ongle et on a encore des factures à monter et on espère pouvoir Donc on a un budget global pour l'année à peu près de 180 millions. Ces 180 millions-là, théoriquement, dans, euh, euh, ce qu'on espérait comme recette et apport des parrains, c'est à peu près 30 à 35 millions. Ces 30 à 35 millions, nous sommes en train de voir dans nos autres partenaires comment essayer de les lever. L'objectif, c'est que euh, mais c'est 180 millions inclus jusqu'à la finale de la Coupe du Sénégal, jusqu'à la finale de la Coupe de la Ligue. Et donc, euh, bien sûr remporter le championnat. Donc si nous faisons ça, nous avons besoin de 180 millions pour faire tout ça et nous espérons y aller. Et aujourd'hui, nous espérons en toute quiétude que nous trouverons 180 millions pour cette équipe. Je l'ai équipe 27 millions. yoo xamee ne amee amee amewuñ ci bor ñuy sant yàlla bu baax amee yeneen facture yu ñu war a fay ci budget global boo xamee ne à peu près cent quatre-vingts millions la téeméeri millions ak juróom-ñett ma ne suñu équipe dañ koo préparé jox ko moyen li ñu laaj ñëpp jox nañ ko tey ji ñu ba tey jii buñ tàmbaleegul loolu la ñuy yaakaar ne mën nañ koo def ndax dañ wax ne xeexkat boo cay dem mënoo dem xare naan may doon avant ndaare wala may doon deuxième pour man góor du ko def gorf buñ la dénké nga def li nga wara def yépp yalla di may ñëpp di may ku ko bëgg da ngay ñaan yalla li nga xamné ne nga bëgg kon ñun li ñuy ñaan mooy lépp luñ fi teg ren ñu gañam légui ma tambalé ci presse bi xam nga damay wax né damay wax nak li nga xamné mom la gëm xeyna sax du leen neex ay damay wax né nit buy def liggéeyam man la muy ni muy defee liggéeyam du moy sama affaire nous on fait le spectacle et vous faites votre travail bu ngeen bu ñu football ñëw da sax bu ngeen bu ngeen ñëw ñëw da bu ngeen ñëwul tamit amul problème

la retransmission du match en direct pour que le public reste collé à nous sommes une équipe populaire Nous ñun une équipe équipe entreprise Nous sommes une équipe corps de métier une équipe populaire La population yi la les voisins pour match bi buñ retransmettre sur le net pour permettre à notre population qui est restée à euh, dans dans situation nous ñu une match